non, Chers aujourd'hui je peux vous appeler les lions de la Teranga. Je vous avais confié au moment de la remise du drapeau le conseil de laisser la Teranga au Sénégal et d'être des lions féroces à Yaoundé. En effet, vous avez été féroces devant vos adversaires. Vous voilà sur le toit de l'Afrique par votre combativité, par votre talent, par votre engagement, vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marque les grand peuple. Vous avez constaté depuis la demi-finale déjà la mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais uni dans sa diversité autour de nos lions et de notre équipe nationale de football. Je voudrais vous féliciter. Et demain, j'aurai l'occasion en vous recevant. Bien sûr, je vous attends au palais ce soir. Je sais que les Sénégalais vous attendent à la sortie de l'aéroport. Et que le chemin qui vous mènera au palais, vous pourrez constater la pulsion du peuple le peuple debout derrière son équipe nationale, unis, hommes, femmes, jeunes, vieux, c'est tout le peuple qui est venu vous plébisser, mes chers Lions, mon cher Alion Sissé, l'entraîneur qui a reçu la plus haute distinction, le plus grand palmarès des entraîneurs sénégalais. Bravo, Avec tes lions, ces lions qui sont rentrés dans la grande histoire et par la grande porte. Je voudrais donc le remercier pour ce sac qui a été recherché par tant de générations de footballeurs, de sportifs, de membres d'encadrement, en ce moment précis, je ne peux pas ne pas penser aux grandes figures de notre football. Je ne peux pas ne pas penser à Mawad Wat, à Folamin au doyen Souri, à toutes ces générations qui ont marqué les combats, que ce soit à Caire 86 ou avant Asmara bien plus tard à la Coupe du Monde de Séoul et Tokyo 2002 avec la génération de Je Diouf. avec vous, Jean-François Bocandé. Jean-François Bocandé, le y qui était avec nous, comme le coach des années 2002, celui de la génération de Eladio Fadiga. Bruno, merci. Comment ne pas penser à Fort Papa à qui nous avons dédié le musée du football que vous pourrez apprécier à partir du 22 février dans une quinzaine de jours ici à Djamnadio ce stade qui sera le plus beau de l'Afrique. Et vous le constaterez. Grâce à votre talent. Merci donc au coach Aline El Tactico. Je il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas de bruit, mais il est efficace et il nous a ramené la Coupe d'Afrique avec ton équipe vaillante. Merci pour tous ceux qui sont avec toi par la force tranquille, par la sérénité imperturbable. Vous avez montré vos qualités de meneur d'homme. Merci également à la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor et à toute son équipe Conseil fédéral. Merci naturellement au ministre des Sports, Matarba, au gouvernement qui a toujours été à vos côtés pour que notre équipe nationale ne puisse plus jamais connaître les déboires qui ont été le lot par le passé. Mais merci surtout au 12e dernier et à Alekara ces supporters infatigables partout dans le monde vous ont accompagné. La Cannes, nous le savons, ne l'oublions pas, est une fête avant tout africaine. C'est une fête de la jeunesse, la jeunesse africaine. C'est une fête du football africain. Permettez-moi, ici depuis Dakar, de remercier et de féliciter le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui n'a mélangé aucun effort pour la bonne organisation de cette CAN 2022. Je voudrais également, en ce moment précis, féliciter et remercier le président Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et son équipe, l'équipe de Pharaon, qui s'est incliné devant les vaillants lions de la Teranga. L'équipe d'Égypte n'a pas de mérité. C'est une grande équipe que vous avez battue. C'est dire combien votre sac est méritoire et combien nous vous disons merci, cher Khalidou Koulibaly, cher lion, J'aurais voulu d'ailleurs passer par chacun de mon nom, individuellement. Mais je sais que le peuple vous attend et il commence à faire nuit. Et vous devez aller à sa rencontre. Demain, je vous recevrai avec toute la République. Au-delà de la République, c'est toute la nation qui sera là demain devant le palais de la République à partir de 16h pour vous dire ce que le Sénégal fera avec vous, pour vous donner une récompense.

peuple bi ñooy teral Lions yi li moo waral bi may ñëw si suba laa woote di de l'intérieur ne ko fexe leen ba jot opposition bi ngeen ne leen président bëgg na ngeen ñëw yéen it fekkee teeru bi ndax ci ngeen bokk li mu bëggal équipe bi moom ngeen bëggal équipe bi te boo leen ne woon ma nekk moyen yi ci def gëm naa ne di ngeen ko def pour ndam ñu ñëw kon ñooñu ñu sant leen bu muy lion yi ndax seen taxawaay seen njàmbaar seen fit seen jom parce que nag coupe bi ku amul jom doo ko andi sa réew ku amul fit ku reyantewul doo ko andi lii moo tax ba ma leen di jox drapeau bi dana xam naa ne mën ngeen football loolu mooy jëm ko warante xam naa ne yéen première équipe de l'Afrique kooku FIFA moo ko wax mais tey li

Ubuntu Palais de la République yéen ak seen i wa famille ngir Sénégal tatagal len teral len ndax ndam li ngeen ñu andil fierté bi ngeen ñu may ba tax na tey Sénégal ci àdduna bi yëpp moom la ñuy wax parce que moo xew ci jamono kon jërë ngeen jëf yéen Gaynde Njaay jërëjëf Aliou Cissé yow mi nga xam ne leen tàggat yaa sa équipe jërëjëf fédération sénégalaise de football Maître Augustin Senghor ak ay nitam waaye nag jërëjëf Matar Ba yooyu tombé moo waral ay gaam ak sa équipe jërëjëf gouvernement bu Sénégal ak peuple bu Sénégal jërë ngeen jëf ba ëllëg incha allah. C'est bon, c'est bon. Come you come on, come on.